Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou au micro Moussa Maman de la radio Nomade FM Agadez, une radio partenaire du studio Kalangou. Le forum, c'est un rappel, est diffusé sur l'ensemble de huit régions du Niger grâce à un réseau de 50 radios et 7 télévisions partenaires. À Agadez, vous écoutez ce forum sur les ondes de Radio Nomade FM 101.9 MHz et Sarah FM 97 MHz. Le forum d'aujourd'hui a pour thème consommation de stupéfiants par les jeunes filles et garçons de la commune d'Agadez, quel impact sur leur vie la ville d'Agadez est située à la porte du désert du Sahara. Elle constitue un carrefour de passage de plusieurs migrants africains en partance vers l'Europe. Selon la projection de l'Institut national de la statistique INS en 2022, la commune d'Agadez compte 162 222 habitants, parmi lesquels 42 135 sont de jeunes dont l'âge varie entre 18 et 35 ans. Cette ville est devenue un centre névralgique où le phénomène de la consommation de produits stupéfiants par les jeunes filles et garçons prendre une proportion inquiétante, devenant ainsi une situation très préoccupante à tous les niveaux. Au titre de l'année 2021, l'Office central des répressions des trafics illicites des stupéfiants, antenne d'Agadez au Crétis, a opéré des saisies de plusieurs kilogrammes de drogue avec au total 264 personnes interpellées parmi lesquelles 249 Nigériens, dont 11 femmes, 2 mineurs et 15 étrangers. Qu'est-ce qui amène les jeunes à consommer des stupéfiants Comment se présente la situation dans la région d'Agadez Quel impact sur la vie de ces jeunes et quelles solutions pour lutter contre ce phénomène Pour en débattre, nous avons invité M. Ali Akilou Mahamadou, chef de l'Office central de répression des trafics illicites de stupéfiants à Agadez. M. Ali Akilou, bonsoir. Bonsoir euh, Max. Nous avons M. Wadel Boubakar, président du conseil communal de la jeunesse d'Agadez. Monsieur Wadel, euh, bonsoir. Bonsoir, Max. Monsieur Suleiman euh, Abdou Salam, vous êtes le commandant de la police municipale de la commune urbaine d'Agadez. Vous représentez ici le maire de la commune d'Agadez. Bonsoir, monsieur le commandant. Oh, bonsoir. Nous avons aussi monsieur Ibrahim Chebou, il est secrétaire général de l'association de parents d'élèves d'Agadez. Monsieur Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum de Studio Kalango. Alors nous allons débuter par euh, cet avis euh, que nous avons recueilli dans la population, c'est des jeunes qui consomment des stupéfiants. Nous allons les écouter tous. Franchement, je consomme de la drogue, du oui et du pinch. les raisons qui m'ont poussé à consommer, c'est la mauvaise fréquentation. Je suis jeune, j'ai un problème de manque d'emploi, car aujourd'hui si j'ai un travail, je ne serai pas dans cette situation. Mes parents sont décédés. J'ai vidé la famille avec mes tantes suis pas à l'aise. Parfois, je consomme de la drogue pour oublier toutes les humiliations que j'ai subies de la famille. J'ai 14 ans et je consomme de la solution. Parfois, quand je n'ai pas d'argent, je vole à la maison pour avoir de quoi payer la solution. Alors, euh, quelle réaction, euh, Monsieur Ali Akilou Mamadou, chef critique à la direction régionale de la police nationale d'Agadez, à travers euh, cet avis de jeunes Mon avis par rapport à ça, c'est tout à fait normal. Ce qu'ils ont dit est exact. Il y a quelqu'un qui dit, c'est parce que le pauvre il n'a pas un travail à faire. L'autre disait c'est parce qu'elle a ses parents qui sont de faim. elle n'a pas quelqu'un qui s'occupe d'elle. Il y a l'autre qui s'est dit être auprès de ses parents, mais qui vole pour aller consommer du, du, du choli. Donc vous voyez, il y a le manque de considération de parents vis-à-vis de ses enfants, donc elle les laisser faire. C'est tout à fait normal. Donc c'est pourquoi je dis c'est un des facteurs parmi tant d'autres. Et ce n'est pas normal qu'on laisse vraiment des gens jusqu'à arriver à telle situation. Le phénomène de drogue n'est pas du tout récent. C'est un phénomène qui date depuis la nuit des temps. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de reconnaître que ce phénomène prend de plus en plus une grande ampleur donc une proportion très inquiétante. D'où donc euh, la disponibilité du produit, de la drogue et aussi l'accessibilité facile eh, donc à ces, à ces produits-là, qui lui donnait donc un caractère ou bien qui lui permet de revêtir un caractère à la fois eh, multiforme et trompeur et aussi recrudescent. Donc euh, c'est pourquoi vous constatez eh, plus souvent les gens lutter contre la drogue, mais le phénomène augmente comme si les gens ne font rien. Et parallèlement aussi, pour que euh, l'opinion publique comprenne ce que c'est que la drogue, permettez-moi de donner la définition exacte ou bien scientifique, donc, ou bien conventionnelle qui a été donnée à la drogue. Donc la drogue, c'est d'abord toute substance toxique, naturelle, semi-naturelle ou synthétisée, donc ayant un néfaste sur le euh, système nerveux central donc, qui modifie le bon fonctionnement naturel donc, du, du, système nerveux central qui est le cerveau. Donc, par rapport à la réaction de, de, ces, gens, vous les avez entendus, chacun a parlé de la cause qui l'a poussé à la consommation de drogue. Ce n'est qu'un échantillon, ce n'est qu'une goutte d'eau de l'océan, comme on dit par expression, parce que les facteurs sont divers. Il y a tant sur le plan euh, social, économique et autres. Donc, je vais en citer quelques, quelques-uns. D'abord, parmi ces facteurs-là, on peut dire euh, au prime abord le manque d'encadrement de l'enseignement islamique auprès de ces gens. Ensuite, qui est donc d'ailleurs donc, la résultante n'est-ce pas, des erreurs de leurs parents. Euh, donc depuis un certain temps, les constats sur le terrain que, la jeunesse d'Agadez s'adonne à la consommation de ce, ces stupéfiants, comment l'expliquer C'est pourquoi, si vous, avez bien compris, j'ai bien dit euh, dans ma phase introductive que le phénomène de drogue ne date pas d'aujourd'hui. C'est n'est pas récent qui touche surtout toutes les couches sociales, à savoir le jeune, le, moins jeune et même le vieux, qui sont impliqués euh, d'une manière à une autre, soit par trafic ou bien par consommation ou par vente ou comment dire, par détention de, ces genres de produits. Vous voyez. Donc, euh, par rapport aux différents facteurs, je vais revenir là-dessus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est euh, ce que les, euh, les, interviewés ont avancé comme raison et tout à fait logique. Fait, ça fait partie des facteurs qui les conduisent à la consommation de drogue. Maintenant, je pris le cas de parents. Si vous prenez au sein d'un foyer, les parents qui ne se respectent pas, je m'excuse surtout vraiment du terme, qui se respectent, pas, qui se permettent de se bagarrer, de se chamailler devant leurs enfants. Est-ce que ces enfants-là ont, la, la moindre pensée ou bien le moral de respecter leurs parents non, dites-moi non. Et même si leurs parents vont leur inculquer des sages conseils, ils ne vont pas accepter. Ils vont faire ce que veulent leur, leur, semble. Et souvent, vous constaterez aussi d'autres parents font le laisser faire. Ils laissent leurs enfants faire tout ce qu'ils veulent. Parce que tout simplement, ils les chérirent. Donc, c'est pourquoi j'indexe ici le parent de ce point de vue-là. C'est comme deux pôles, un objet qui a deux pôles. Il y a le pôle sud, il y a le pôle nord. Donc, le premier, c'est chérir son enfant. Vous accordez trop d'amour à votre enfant, il va faire ce que bon lui semble. Ou bien vous le négligez, vous ne lui accordez pas vraiment une importance pour lui montrer qu'il est quelqu'un que vous devrez cadrer pour lui montrer vraiment les bonnes mœurs et les bonnes conduites. Là encore, l'enfant risquerait de de sortir et partir dans les dérapages et à travers d'autres choses dont vous ne pouvez pas donc, euh, contrôler par après. C'est ce qui le pousse à aller à la consommation. Il y a aussi la mauvaise fréquentation, comme l'a dit le petit. Vous constatez, la mauvaise fréquentation conduit directement à la consommation. Il y a aussi l'environnement je vais dire par l'environnement, les enfants qui sont de d'autres quartiers très périphériques, loin du, du centre-ville, n'est-ce pas, sont plus exposés à la consommation de drogue. Parce que le plus grand délinquant, c'est dans le quartier périphérique qui s'arrange pour, pour s'adonner à la consommation, au vieux aussi de tout le monde. Donc les enfants qui vont grandir dans ces genre de parages sont beaucoup plus exposés à la consommation que ceux qui sont à, côté de leurs parents. Ensuite, il y a aussi d'autres parents qui refusent de reconnaître le fait que leur enfant est consommateur. Ils préfèrent le cacher pensant que pour eux, aussi, on dit que leur enfant étant consommateur, c'est comme une paf qu'ils ont reçue donc, au visage. Alors que non, c'est pas ça. C'est votre responsabilité qui sera engagée. Acceptez la réalité telle qu'elle est, maintenant trouver des solutions. En dehors de ça aussi, il y a, y a ce qu'on appelle la recherche de gains faciles. Ceux qui partent à la recherche d'argent. Il faut qu'il soit riche coûte que coûte, quelles que soit le voisin et Il s'en fiche de savoir telle pratique est liste ou illicite. De toutes les façons, ce qui compte pour eux, c'est d'être riche tout de suite. Donc, pour les cas de, jeunes filles également, on a ce qu'on appelle le divorce ou bien le mariage forcé. Surtout les mariages forcés. On cherche coûte que coûte à faire marier eh, la, la, la jeune fille à quelqu'un qu'elle n'aime pas parce que tout simplement le monsieur est riche. Les parents veulent comment de profiter de sa richesse. Donc maintenant, on l'a contraint à euh, contracter ce mariage, bon gré, mal gré. Est-ce qu'elle va rester euh, chez le monsieur Non, il suffirait tout simplement qu'au bout de deux, trois mois, vous allez la voir sortir dehors. Alors, Monsieur Ali, euh, à la date euh, d'aujourd'hui, comment se présente la situation de la saisie de drogue dans la région d'Agadez Bon, à la date d'aujourd'hui, bon, permettez-moi aussi de faire la projection parce que vous avez, dans votre phase introductive, vous avez parlé de l'année 2021. Donc, en se référant à l'année 2021, beaucoup de saisies ont été faites, n'est-ce pas C'est des, kilos de, de cannabis qu'on a saisi. C'est des kilos comment dirais-je, des de, résines qu'on a pris. Cocaïne, c'est des grammes, héroïne, c'est des grammes. Et un grand nombre, un nombre très important du point de vue euh, tramadol, diazépam, flinitrazépam et autres. Mais par rapport aux personnes interpellées. C'est ce qui est plus important, je crois bien, parce que nous, sommes en train de parler de jeunes. Donc, euh, pour l'instant, pour 2021, on a pris jusqu'à, on a interpellé 200 64 personnes. Nigériens, on a pris 249, dont 11 femmes, 2 mineurs. Étrangers, on a pris 15 personnes, 6 femmes. Vous voyez. Donc, c'est ce qui fait le 249. Si vous, nous nous penchons maintenant du côté du tranche d'âge, vous allez comprendre que euh, du, à l'intervalle de 18 à 29 ans, on a pris 175 personnes. Intervalle 29 39, 39 ans, on a pris 57. Donc le combiné de ces deux, de ces deux tranches, nous avons jusqu'à 232. Mais qu'est-ce qui reste de, nombre de, la totalité des personnes interpellées Vous voyez, rien que ces deux, de ces deux fourchettes constituent seulement la classe jeune. Ça constitue uniquement la classe jeune, n'empêche à savoir détention, consommation ou impliqué dans le trafic. Mais maintenant, à titre de l'année 2022, c'est tout récemment qu'on a commencé. On est à peu près presque dans le deuxième mois donc de l'année. Mais n'empêche, on a fait vraiment aussi de grosses saisies. En matière de cocaïne, vous constatez, on a pris jusqu'à 214,635 kilos. Donc, euh, approximativement 215 kilos de cocaïne. Cannabis, on a pris 3 kilos on a pris 7419 comprimés de 3 3100 comprimés tramadol, on a pris 658 comprimés de diazepam. Donc pour les personnes euh, interpellées, on a pris 14 personnes. Pour l'instant, on a pris 14 personnes. En 2022. En 2022. Donc euh, pour leur tranche d'âge de moins de 25 ans à 39 ans, on a pris 13 personnes. Donc, si vous constatez, le 14e, celui qui est compris dans la fourchette 40 à plus. Merci beaucoup, euh, Monsieur Ali Akilou Mahamadou, chef OCRETIS à la direction régionale de la police nationale d'Agadez. Alors, euh, Monsieur Suleiman Abdoussalam, je rappelle, vous êtes commandant de la police euh, municipale de la commune urbaine d'Agadez. Vous représentez le maire de la commune d'Agadez dans ce forum. Qu'en pensez-vous de la situation de consommation de stupéfiants par euh, les jeunes filles et les garçons au niveau de, la, de, votre commune, de la commune d'Agadez Ça, c'est un fléau vraiment qui plante de l'ampleur une grande ampleur dans la commune d'Agadez. Et le maire, en tant que tel, était conscient, en tant conscient de ça. Je crois que ça fait déjà aujourd'hui au moins euh, cinq jours de cela. Il avait invité le chef octrice euh, à se présenter dans son bureau, plus le corps urbain et personnellement moi-même, pour en discuter de cette situation parce que ça prend de l'ampleur grave dans la ville d'Agadez. Et le chef actrice actuel était absent, c'était son adjoint qui était là-bas. Vraiment, il a, on a des beaux débattis avec le maire en personne, avec le chef actrice, qui disait que vraiment les gens sont en train de faire de leur effort, mais de continuer plus. Parce que la ville est envahie vraiment de chaque côté et vraiment c'est un fléau qui prend de l'ampleur. le maire étant conscient de ça, c'est pourquoi ça lui tient beaucoup à cœur. vraiment, ça, c'est une situation vraiment critique. Vraiment, c'est pas bon pour euh, la jeunesse d'aujourd'hui, surtout ici à Agadez. Où situez-vous les responsabilités Oui, bon, nous situons les, responsabilités partout, parce qu'y compris les parents, vraiment, je m'excuse. Euh, la situation est des parents, parce que les parents ne font pas de suivi. Vraiment, il y a un manque de suivi et certaines euh, personnes aussi qui fréquentent, parce que c'est la majorité de ces délinquants étaient des jeunes. Et la jeunesse, normalement, un jeune doit, être, doit avoir au moins un suivi et devoir euh, pour le développement. Merci, Monsieur Wadel Boubacar, président du Conseil communal de la jeunesse d'Agadez. Selon vous, quelles sont les causes euh, de la consommation de stupéfiants par les jeunes filles et garçons de la commune d'Agadez Donc, euh, moi, je pense qu'Agadez, c'est un grand carrefour d'échanges commerciaux. Et la région d'Agadez constitue un passage de trafic de tout genre du fait de la circulation et euh, des drogues de la région, dans la région, c'est ça qui a fait que beaucoup se sont retrouvés à consommer ces stupéfiants, surtout les jeunes. Et malheureusement, aujourd'hui, nous avons constaté que tellement que ça prend de, l'ampleur, malgré les, efforts des, structures de jeunes, des associations de jeunes, des groupements féminins, nos autorités locales, coutumiers, et l'effort aussi de notre au, Malgré ça, et phénomènes phénomènes ne fait que prendre de l'ampleur. Malheureusement, aujourd'hui, on a constaté même des jeunes filles prendre de la drogue, ce qui est impossible les 20 à 30 dernières années de, euh, passées. Et en même temps, les jeunes de cette région aujourd'hui, ils font face à de nombreux, nombreux défis. Le chômage, la délinquance juvénile, mais aussi la consommation des stupéfiants. C'est vraiment terrifiant et je pense que malgré les efforts que font nos parents et autres autorités et les structures des jeunes, et Inch'Allah, un jour, on va, on va trouver une solution par rapport à ça. Les cause, et moi, je pense que non seulement il y a le manque d'emploi, on peut le dire, et il y a aussi la responsabilité des parents. Tu es un père de famille, ton enfant qui refuse, qui refuse d'aller à l'école ne peut pas quitter la maison de 8h jusqu'au coucher du soleil, tu ne sais même pas là où il est. Ou bien il quitte la maison et du soir jusqu'à X heure de la nuit, tu ne sais même pas d'où il vient, tu ne sais même pas il est où. Donc je pense que la responsabilité, on peut dire que nous sommes tous responsables des jeunes jusqu'en haut. Alors, quel impact sur leur vie, la vie de ces jeunes-là et en tout cas, pour l'impact, euh, aujourd'hui, un jeune qui prend de la drogue, en aucun cas, il ne va pas travailler. Il va passer son temps à voler. Il un jour, il va même devenir un fou. Quelqu'un qui devient fou, je pense que c'est fini, son avenir, c'est fini, il est foutu. À moins de 30 ans, c'est fini. Ah, sa vie est gâtée. Monsieur Ibrahim Chibou, le parent, vous êtes euh, secrétaire général de l'association des parents d'élèves d'Agadez. L'impact euh, est négatif selon le président de la jeunesse, en tant que parent, comment vous analysez cette situation euh, Merci. Euh, merci aussi aux camarades qui m'ont précédé. Ils ont déjà échafaudé les causes de, de, ce phénomène, comme on dit. Mais quand ça vient maintenant dans le milieu scolaire et dans le milieu éducatif en général, même dans les écoles coraniques, euh, le phénomène est arrivé, puisqu'on peut droguer le marabout pour, pour, s'en aller. Quoi. Il y a, avant l'arrivée de ce phénomène-là, il y a un principe qui est établi dans les écoles et dans les quartiers, dans la société en général. Les enfants sont suivis. le représentant de la mairie vient de dire que vraiment la faute incombe aux parents. D'abord, un enfant qui n'est pas bien éduqué chez lui, chez lui, je veux dire, je ne vois pas comment il va aller à l'école où il n'a que peut-être 4 heures et 5 heures. Lui, il a dit, il y a des parents qui ne se soucient pas de où est parti mon enfant, où, est-ce que tu as passé la journée, qu'est-ce que tu fais. Nous, on nous a chicotés pour ça quand on était des enfants. Et les parents, quand ils constatent un comportement qui n'est pas Bon, à l'égard de leurs enfants, ils filent à l'école. Ils vont pour dire euh, aux enseignants, attention, pourquoi mon enfant fait ceci, fait cela. Donc, en quelque sorte, il y a une sorte, la société tout entière, il y a une sorte de démission maintenant. Pas les parents seulement. Bon, les parents d'abord, parce que quand vous, vous mettez au monde un enfant, c'est à vous d'abord de vous en occuper. Si vous lui donnez une bonne conduite, je crois que vous lui montrez le chemin d'aller vers le bon, euh, aller chercher à travailler, aller à étudier. Il aura l'amour du travail, de l'étude, etc., etc. Mais si vous l'abandonnez, eh bien, vous allez le perdre. Alors, le phénomène est tellement devenu grave il y a un an, deux ans dans les écoles, que les gens étaient obligés de dire il faut clôturer les écoles. On vendait de la drogue dans les cours d'école. C'est vraiment grave. Donc, qu'est-ce qui va advenir quand les enfants sont drogués Ils vont tuer les professeurs ou bien ils vont s'entretuer entre eux parce que le, drogué, il n'est pas. Il ne raisonne pas. alors, alors, que faire face à ces problèmes Bon, ça, j'ai dit que c'est la société. Vous n'allez pas dire à Octrice ou comment aux critiques de, de, de, de juguler ce problème à elle seule. La mairie, avec ses moyens, est-ce qu'elle peut Elle fait ce qu'elle peut. Mais il faut que l'ensemble de la société soit sensibilisé. Il ne faut pas que les gens soient. Euh, que l'affaire tourne autour des autorités et qu'on laisse euh, le reste de la société. Les, gens en ont marre, ils savent, ils en parlent. On vient, on leur coupe les gaz, on vole les bouteilles de gaz pour aller vendre et prendre de la drogue. Dans notre quartier, il n'y a pas très longtemps, les gens ont saisi des filles, des jeunes filles. Hein qui font ce genre de Et quand vous leur, vous, leur demandez qu'est-ce qu'elles vont faire avec de l'argent, elles vont dire que c'est pour aller satisfaire leurs besoins en drogue. Merci. Euh, monsieur, euh, l'officier Ali Akilou Mamadou, je rappelle chef au Créti Sagadez, quelles sanctions encourent les personnes prises dans la situation de la consommation de produits stupéfiants, surtout les jeunes Surtout les jeunes. Bon, ok, euh, du point de vue sanctions, je crois que notre ordonnance notre ordonnance, qui est donc euh, notre loi qui régit vraiment euh, des sanctions ou bien d'une manière générale qui encadre tout ce qui a affaire de la drogue, dans son volet répression, n'est-ce pas, a fait la part des choses en faisant deux parités concernant donc euh, le produit d'abord, en classant le drogue à haut risque et de drogues à risque. Parlant donc de drogues à, à haut risque, y compris les équipements, le matériel et même le précurseur. Parce que quand on dit précurseur, c'est les différents produits qu'on utilise pour fabriquer d'autres, d'autres, d'autres drogues. Donc toutes ces gammes que je venais de citer sont sanctionnées euh, d'un emprisonnement de 10 à 20 ans, vous voyez. Et pour ce qui concerne aussi maintenant le, le drogue à, haut, à risque, donc c'est y compris aussi les précurseurs. Euh, le matériel ou même euh, les plantations, la production, l'exploitation, les transports, la détention, la vente et la consommation, y compris, rentrent dans le cadre de fourchette d'une sanction de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Vous voyez. Donc voilà ce que la loi a prévu selon donc, notre ordonnance 99. Merci beaucoup, Monsieur Ali Akul. Monsieur Suleiman, euh, euh, donc vous êtes euh, commandant de la police municipale de la commune d'Agadez, vous représentez le maire. Selon vous, quelles sont les conséquences de la consommation de stupéfiants par les jeunes filles et garçons dans, votre commune Merci beaucoup. Vraiment, les conséquences sont énormes. Vraiment pour l'abus de drogue chez les jeunes. Donc, je crois que dans le, ça, il y aura, il y aura par exemple l'indépendance les surdosages, les accidents, les dommages physiques et psychologiques, vous voyez, parce que la personne qui est ivre, donc, elle peut se casser. Et parfois même un décès prématuré. Donc je vois que et la santé, n'en parlons même pas, la personne ne peut pas avoir une santé probable, vraiment. Alors quelles, quelles sont les solutions pour y remédier vraiment à cette situation Vraiment, la solution que qu'on propose, c'est que vraiment, pour la commune d'Agadez, nous demandons à ce que les parents, nous-mêmes, tout le monde, que chacun s'engage vraiment à ce que les gens puissent avoir une solution à ça. C'est pas à l'octrice seulement pour arrêter seulement, comme je l'ai dit au tout début, les conseils, le suivi des jeunes, le suivi des jeunes, les parents doivent suivre les jeunes et de se passionner de leur développement aussi. Alors, Monsieur Boubacar Wadel, président du Conseil communal de la jeunesse d'Agadez, quelles sont les actions entreprises par votre structure pour remédier à ce fléau En tout cas, merci Max. Au niveau du Conseil communal de la jeunesse d'Agadez, euh, nous avons mené plusieurs caravanes de sensibilisation dans des endroits très stratégiques, dans des autogares, dans les marchés ou bien dans les quartiers périphériques. On a tellement fait des sensibilisations par, rapport à ça et aussi à des structures de femmes aussi et des groupements qui nous, qui nous ont invités et à, dans des, des, débats, dans des fadas par rapport à, ces phénomènes. On a tellement fait des activités, mais et après, nous avons constaté que ça ça n'a pas changé. Sur le terrain, on n'a pas ici que nous, nous voulons. Et, et par rapport à ça, maintenant, et après, nous avons proposé à certains partenaires, et dans des rencontres devant les autorités régionales ou communales, nous avons proposé la création d'un centre de désintoxication de ces jeunes. Parce un jeune qui prend de la drogue, tu les sensibilises, ou bien un jeune qui vend de la drogue, les FDS les surprend. On lui fait six mois ou, deux ans de prison. À la sortie, peut-être il va recommencer. Et maintenant, les centres là nous avons proposé tous ces, drogués-là, quand ils, sont déjà dans la main de, de la police, on n'a qu'à les amener dans ces centres. Même si ces centres, c'est comme une prison. Il y a des, sécurités agents de la sécurité à la porte. Et ces jeunes là on va les forcer à apprendre les métiers, à apprendre des, certaines techniques et surtout... En on va les former. On va les former. La menuiserie, en couture, en, mécanique soudure. Donc vous voyez, maintenant c'est ce que nous, nous avons en tant que structure des jeunes, c'est ce que nous, nous avons proposé aux partenaires et même aux autorités. C'est ça que nous, nous attendons. C'est ça la solution finale par rapport à ces phénomènes. Alors, monsieur euh, Ibrahim Chevou, secrétaire général de l'association des parents d'élèves, en tant que premier responsable des parents d'élèves au niveau de la région d'Agadez, quel conseil à la jeunesse C'est-à-dire que le, conseil que les enseignants, parce qu'il s'agit de cela de notre côté, le conseil que donnent les enseignants sont devenus, disons, pratiquement en deçà de leur espérance. C'est-à-dire, ça les dépasse. Qu'est-ce qui, qui, fait qu'il les dépasse Vous ne pouvez pas gérer, par exemple, une classe de 130 élèves quand vous êtes enseignant. Allez-vous vous occuper de votre pédagogie ou bien de taisez-vous, etc., etc. Un drogué va s'élever il va crier, etc., etc. Vous voyez, à eux seuls, ils ne peuvent pas juguler le phénomène. Et euh, nous venons de le constater que les, autorités, à elles seules aussi, ne peuvent pas euh, euh, aller au bout du phénomène. Donc il faut une sorte de conjugaison d'efforts de tout le monde, de toute la société. Et j'ai vu à, travers les médias, en regardant Niamey, etc., j'ai vu que je crois que le service de, de, de la police est actuellement en train de faire des sensibilisations dans les milieux scolaires. Ils vont, ils choisissent euh, les tranches d'âge là. Ils les sensibilisent parce que c'est ceux qui sont déjà dans le, le circuit, c'est eux qui détruisent le bas, ceux qui sont moins âgés qu'eux. Donc en les sensibilisant, ça va peut-être éviter la consommation à un certain niveau. Et maintenant, il faut récupérer, <laughs> évidemment, ceux qui sont déjà loin, comme il dit. Donc, ce sont des solutions comme ça, par étapes, qu'il faut faire. Sensibiliser les, parents à tous les niveaux, sensibiliser les élèves, parce qu'eux, ils sont plus en contact avec les fournisseurs de drogue. Euh, et ceux qui sont déjà dans, euh, dans la sphère des drogues, essayer de les récupérer, tout en luttant évidemment contre le trafic, parce que le trafic, c'est encore un autre problème. Merci beaucoup. On va faire un, tour de table. Enfin, quelles sont les perspectives sur cette situation de la consommation des stupéfiants par les jeunes filles et garçons dans la commune d'Agadez On va commencer par vous, l'officier Ali Akilou. Ok, merci Max. <coughs> Donc, euh, avant d'entamer cette phase, permettez-moi un peu d'introduire euh, par rapport à la question qui a été posée à mon collègue, à savoir euh, les conséquences, n'est-ce pas, donc euh, liées à la consommation de drogue. Donc je dirais vraiment, euh, pour ce qui est de cette question, la conséquence délétère liée à la consommation de différentes commandes de de, de drogue sont néfastes, sont aussi énormes, surtout tant sur le plan sanitaire, sur le plan économique aussi que sociétal. Maintenant, parlant du plan sanitaire, la conso d'une manière générale, je vais parce que euh, les, les conséquences diffèrent d'une gamme à une autre. mais d'une manière générale, oui. Mhm. Donc, je vais dire la consommation de drogue, n'est-ce pas, euh, provoque ou bien crée une stimulation mentale et physique chez donc, euh, le sujet, ce qui, ce qui engendre surtout l'accoutumance et la dépendance. Donc, qui dit l'accoutumance et la, et la dépendance dit donc, être lié ou bien devenir esclave à la consommation de tels produits. Mm. Et quand on est esclave, maintenant, c'est le produit qui est maître de nous et non nous. C'est l'inverse. Vous voyez, alors qu'en principe, c'est nous qui devrons être maîtres de notre situation pour contrôler <clears throat> la situation du point de vue consommation. Mais maintenant, c'était l'inverse qui s'exerce. C'est la drogue qui a l'emprise sur le sujet. Et cette stimulation, comme je l'ai dit, elle est mentale et physique et même psychique d'autre part, vous voyez. Donc d'où la désorganisation fonctionnelle du système nerveux central qui est le chef d'orchestre de tout l'organisme. Vous voyez. Et donc cette consommation, d'une part, elle est aussi, elle, provoque la euh, perte du poids, la déshydratation chez les sujets, l'inflammation de la peau et aussi, comment dirais-je, manque de concentration. Et au court terme, ça crée ce qu'on appelle l'anxiété. Ça donne aussi une destruction des dents, des la dent, celle que, que, nous avons dans la bouche, et aussi à la longue la destruction des cavités buccales. Donc maintenant, à long terme, il y a aussi ce qu'on appelle l'hallucination qui est crée, les délires, les paranoïas et même euh, la, la, perturbation des circulations sanguines. Et qui dit perturbation de, circulation sanguine, on sait à quelle expression ça donne. Bien sûr, à l'amour. Vous voyez, vous voyez. Donc maintenant, par rapport à la solution, comme vous venez de me poser la question, la, la solution est visible. Elle est claire, elle est nette. Comment y remédier Pour y remédier, d'abord, comme l'a dit le président de jeunes, il faut qu'il y ait un centre de désintoxication en dehors de ces centres de désintoxication, parallèlement, il faut qu'il y ait encore un autre centre de récupération, d'apprentissage et d'orientation, donc d'insertion de ces sujets, parce que nous avons besoin d'eux. Ce ne sont pas des gens à relâcher. Personne ne sait ce qu'ils vont devenir après quand ils vont prendre conscience. L'essentiel, c'est de prendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire. J'espère que la prison en elle ne suffirait pas, le correctif ne suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous, conviendrez avec moi qu'au sein même de la prison, les délinquants trouvent de, de drogue. Mais qu'est-ce qu'on a fait C'est comme si on n'a rien fait. Et si vous constatez aussi le prix du produit ici, dans la ville, il diffère nettement de celui de, la prison. Mais quand est-ce que, est -ce que, cela va finir Donc, quand vous allez prendre un délinquant, il a hâte même que vous l'envoyez en prison bien sûr, parce que s'il vend son produit ici dehors à 500 francs, il va en prison, il le vend à 2000 francs. Il a un, un bénéfice de 1500 francs. Vous voyez Donc vraiment, c'est dommage. C'est pourquoi il est grand temps pour l'État, parce que la responsabilité est partagée de partout. Pas uniquement le parent. Il y a le parent, il y a la société, il y a aussi l'État. Comme l'a dit l'ancien par rapport aux enseignants, au niveau de l'école, avant avant dans le temps passé, quand on parle des années 79, 80, dans chaque établissement, vous constaterez qu'il y a un enseignant psychosociologue et sportif qui s'occupe, n'est-ce pas, de ce genre de questions. Comme je l'ai dit, les, professeurs de, maths ou de français n'ont pas leur temps pour t'expliquer ce que tu dois faire de ta vie. Non, ils ont leur mission à part. Mais ce dont je viens, leur programme entier est à part. Mais ce à que je viens de préciser avec accent, c'est leur charge, c'est leur mission. Ils sont là pour contrôler et, et, et permanemment les enfants, les élèves. C'est pourquoi dès qu'ils voient quelqu'un, un, un élève qui rentre il suffirait seulement d'analyser son comportement pour comprendre ce qu'il est en train de faire. Maintenant, on, le prend, on l'amène devant le censeur ou bien devant le surveillant. C'est la sanction qui va suivre. Et les parents sont prêts à accepter cette sanction parce que ça, va de, ça il va de soi, ça rentre dans le bon sens de l'encadrement de leur enfant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Tu tapes tu grondes parce que ta paix c'est interdit, tu grondes sur un enfant, il va, il trouve ses parents. Un tel m'a fait ceci, m'a fait cela. Directement, vous allez recevoir une convocation de la part de ses, de ses parents. Et vous allez répondre. Vous allez répondre à votre grande surprise, vous allez répondre quoi C'est le parent de votre enfant qui vous a convoqué. Mais on voit où avec toutes ces situations-là, s'il vous plaît. Donc, je reviens par rapport à ma question parce que c'est une fenêtre que j'ai ouverte, je la ferme. Maintenant, par, toujours dans, le, même ordre d'idées, pour ce qui concerne, comment les, perspectives, en dehors de, ces deux centres que je venais de dire, que notre ordonnance est aussi une toilettage. Le délinquant, parce qu'on dit, eh, le phénomène de la drogue, selon moi, c'est comme une expression d'un arbre, une mauvaise euh, herbe que vous voulez couper, que faudra-t-il faire Alors, expliquez-nous ça. <laughs> Merci. donc, c'est une métaphore. Ce que je voudrais dire, le plus grand délinquant qui amène le produit qui font le trafic de drogue, il faut que l'État tape plus fort dans leur économie. Merci. Merci. Je ne veux pas. <laughs> Vas-y, allez-y. Donc, c'est prendre. C'est professionnel. <laughs> Bien sûr, merci. allez-y. Voilà. Donc, il faut que l'État tape fort du point de vue de leur économie. Peut-être si on redit la personne en niant, là, avant même qu'il y ait encore euh, comme piédestal pour se soulever, ça va prendre du temps. Et s'il récidive, maintenant on fait plus, ainsi de suite. Aussi accentuer la sensibilisation, comme le dit ancien, surtout la sensibilisation. Parce que qui dit sensibilisation, une fois, même si c'est une seule personne qui est bien sensibilisé, je crois que l'impact est très, très, très positif. Et très positif parce que je sais que par lui, il y aura encore d'autres formations ou bien d'autres sensibilisations. Il y aura large diffusion des sensibilisations. le mois passé, je prends à titre d'exemple l'école Assalama qui nous a invités. On était parti animer, euh, comment dirais-je, euh, donner des, cours de morale par rapport à la consommation, à l'impact de la consommation de drogue à leurs, à élèves. Donc ils étaient... des enfants de primaire De primaire, bien sûr. Ils étaient là vraiment avec... Ils ont accordé une attention très très particulière. Vraiment, ce qui m'a touché au cœur du point de vue euh, positivité, vraiment, c'est leur participation dans le débat. Elles ont posé des questions incroyables je vous le jure. Il y avait même une fille qui était posée une question que depuis que j'ai commencé les services à l'antidrogue, je n'ai jamais entendu parler de cette question. Ça ne m'a jamais parcouru le cœur. le, euh, vous a fait pleurer. Oh, bien sûr. <laughs> C'est pas la question Elle m'a demandé l'impact de la consommation pour une femme enceinte. L'impact sur le bébé, sur le fétiche. Vous voyez. Il y a aussi, j'encourage également euh, l'Alliance française le président, deux fois d'affilée, il a convoqué ce genre de, réunion. La première, c'était à l'occasion d'une incinération. Il a regroupé tous les grandes dignitaires de la ville, de l'enceinte de leur salle, pour évoquer la question, cette question. On en a débattu largement, à la grande satisfaction de tout le monde. Et la deuxième fois, <laughs> laissez-moi aller au bout de mes idées, la deuxième fois, il a également organisé ça en appelant, en invitant, autant pour moi, donc le corps enseignant vous voyez, c'est un choix qui n'est pas fortuit. Enseignant, vous y étiez, n'est-ce pas Donc, vous voyez, parce qu'à travers les enseignants, je crois que la diffusion de l'information sera encore beaucoup plus grande que même par le micro que vous passez Merci. Voilà ce que je voudrais dire. Tout. Merci beaucoup, Ali. donc, euh, M. Wadel euh, Boubacar, euh, président du conseil communal de la jeunesse d'Agadez, enfin, quelles sont les perspectives sur cette situation de la consommation de, stupéfiants par les jeunes filles et garçons dans la commune d'Agadez je pense que c'est de continuer et pour les structures de jeunes, notamment le conseil communal et autres structures, c'est de continuer à ne pas baisser les bras. C'est de faire des sensibilisations de débats. Et euh, aux critiques aussi, et malgré les efforts, ils n'ont pas continué. Inch'Allah, un jour, ça, va, ça va aller. À nos parents aussi qui sont là, vous avez un rôle à jouer dans ça là. Parce qu'aujourd'hui, si un enfant mal éduqué, si un enfant est libre, à, moins de 20 ans, un enfant qui ne part pas à l'école, à, l'adolescence, moi je pense que c'est une perte énorme. Et la faute aussi revient à nos parents. Parce qu'ils ont une responsabilité, c'est à de prendre les responsabilités par rapport à ça. Mhm. Par rapport aux jeunes aussi. Hmm? par rapport aux jeunes aussi. Il m'a piqué un peu. Quoi. Non, non, je vais vous donner la parole. <laughs> Ah, euh, monsieur, le sujet donc, euh, de l'association de, parents de vous, quelles sont les perspectives Dans les solutions préconisées par les uns et les autres. Euh, euh, monsieur Ali a déjà ébauché un, plan vraiment qui me semble, moi, très salutaire parce que si on frappe fort les trafiquants, cela veut dire qu'on va soutirer la richesse qu'ils ont engendrée euh, dans, dans, le trafic de la drogue. Ça va permettre à la commune, à, la police de, tous les côtés, et la jeunesse qui ont des, programmes de sensibilisation et autres, et même les parents, pourquoi pas. Il y a une association qui peut faire des, interventions de sensibilisation, etc. Ça, c'est une ébauche de solution, comme il dit. Donc les parents, comme ça, sont impliqués aussi. Alors, M. Euh, monsieur Slimane, vous, de votre côté, quelles sont les perspectives oui, donc euh, pour nous, euh, au niveau de la commune, vraiment, ça revient toujours, comme l'ont dit les restes de collègues, c'est vraiment un truc euh, qui devrait être associé aux parents. Donc, ce que nous demandons, surtout aux parents, qu'ils n'ont qu'à contrôler l'entourage et les milieux de vie des enfants. Vous voyez l'importance de l'encadrement. C'est ça, l'encadrement des jeunes. Vous voyez. Et vraiment, de les encourager euh, à développer leur passion aussi. Vraiment, euh, c'est ça que j'ai à augmenter parce que les reste des collègues ont tout dit en quelque sorte. Et la répression aussi, pour ceux qui fréquentent, vraiment d'augmenter la répression là-dessus. Là, peut-être on aura une solution. À quel niveau la, la répression euh, Au niveau juridique et en même temps, comme le dit l'officier, c'est un peu secret aussi. Merci beaucoup. <laughs> Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Donc, nous arrivons à la fin de ce forum de ce soir euh, du studio Kalangou sur la consommation de stupéfiants par les jeunes filles et garçons de la commune d'Agadez. Quelles sont les causes, conséquences et perspectives Donc, euh, on peut retenir en conclusion, euh, les uns et les autres ont proposé qu'il y ait des, fortes sanctions, surtout pour les trafiquants, euh, des grands trafiquants, et de multiplier aussi les sensibilisations à tous les niveaux pour qu'on puisse euh, juguler ces problèmes. Nous étions donc euh, en compagnie de M. Ali Akilou Mahamadou, chef Ocritis Agadez. Merci, M. Ali Akilou. Merci à vous, Max. M. Suleiman, Abdou Salam, commandant de la police municipal de la commune urbaine d'Agadez qui représente ici le maire. Merci, Suleiman. Merci, monsieur. Monsieur Wadel Boubacar, président du conseil communal de la jeunesse d'Agadez. Monsieur Wadel. Merci, Alors, M. Euh, monsieur Ibrahim Chebou, secrétaire général de l'association des parents de l'œuvre. Merci beaucoup à vous aussi et aux... les autres participants nous ont édifiés. Merci beaucoup. Alors, c'est la fin de ce forum. Au revoir et à bientôt.